de suivre les programmes du studio Kalangu qui vous parviennent grâce à nos 46 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Éducation des enfants, comment s'y prendre C'est le thème du forum de ce soir. Au Niger, certains parents ne suivent pas l'éducation scolaire de leurs enfants. La plupart du temps, les enfants sont laissés à eux-mêmes face à leurs études. Les parents sont absents dans leurs études ne les accompagnent pas dans la compréhension des cours pour ceux qui peuvent le faire. Certains parents ne visitent même pas les écoles de leurs enfants, n'assistent pas aux réunions et n'ont aucune notion de règlement intérieur de l'établissement que fréquentent leur enfant. Pourtant, l'enfant a un grand besoin d'être accompagné, soutenu et parfois compris par ses parents pour la bonne marche de ses études, surtout au niveau primaire. Quelle est la part de responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants Comment doit se faire le suivi des études d'un enfant Pourquoi certains parents n'accordent pas leur temps dans l'éducation de leurs enfants Que doivent faire les parents pour la bonne marche des études de leurs enfants les parents peuvent-ils visiter les écoles de leurs enfants pour parler avec les enseignants sur le comportement de leurs enfants et de l'évolution de leurs études pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Moussa Iné, il est parent d'élèves. Bonsoir Moussa. Bonsoir madame. Association nationale des parents d'élèves et étudiants. Bonsoir Timba Juma et madame Fatoumata Isaka, euh, membre du Ben SINASEP. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre la réaction de certains parents que nous avons rencontrés sur ce sujet. Suivez plutôt. Et comment suivre les enfants quand on passe toujours la journée au service Vraiment, j'ai pas le temps. Je passe la journée au travail. Je descends à 17h. Arrivé à la maison, je fais le ménage, la cuisine. Ça me fatigue. Ils étudient tout seuls. Certes, ça peut les aider, mais je peux pas. Je suis fatiguée. Vraiment, je ne les suis pas parce que je pars travailler tôt le matin jusqu'à 17h. Au retour, j'ai la cuisine à faire et si je finis, je me repose. Ça a de l'importance, je sais, mais je n'en ai pas le temps parce que ça me fatigue. Si l'enfant manque de suivi à la maison, il sera pour lui difficile de mener à bien ses études. En tant que parents, nous devons aider les enfants, une fois qu'ils rentrent de l'école, à bien assimiler les cours à la maison. C'est comme ça qu'ils vont progresser à l'école. Il faut accorder du temps à ces enfants et les aider à comprendre davantage, parce que l'apprentissage à la maison est plus bénéfique pour eux. C'est plus que nécessaire pour que les parents puissent euh, vraiment suivre scrupuleusement leurs enfants une fois de retour à la maison. Si vous prenez par exemple à l'école, un enseignant peut enseigner un élève, mais une fois que cet élève a été accompagné par les parents avec les cours de renforcement des capacités, je pense que certainement l'élève sera très bien formé pour qu'on puisse vraiment avoir des élèves euh, vraiment qui sont aguerris et qui peuvent répondre convenablement aux besoins du pays. Et la différence, elle est très palpable parce que d'abord, si vous prenez même au cours des évaluations, vous allez constater que la majorité des enfants qui arrivent vraiment à décrocher une très bonne moyenne, ce sont des enfants qui n'ont pas été laissés par les parents. Donc c'est un peu ça. Et même en termes de langage, la prononciation, en termes de vocabulaire, en termes d'expression, les enfants qui ont été suivis à la maison, moi je peux dire que certainement peuvent être les plus meilleur que les autres enfants qui n'ont pas eu cette chance. Je commence donc euh, par vous, euh, Monsieur Moussa Iné, vous êtes parent d'élève. Vous avez donc euh, suivi la réaction donc de ces parents que nous avons rencontrés à travers la capitale. Quelle appréciation faites-vous donc de la réaction de ces parents Oui. Bonjour madame, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs de Studio Kalangu. Effectivement, le, sujet est assez pertinent du moment où euh, c'est notre grande responsabilité, c'est la responsabilité des parents. Un parent, c'est un tout pour son enfant, pour sa famille. Donc nous avons le devoir, nous avons l'obligation euh, de suivre l'éducation de nos enfants, de suivre comment est-ce euh, que, ça se passe dans leurs écoles, qu'est-ce qu'ils ont appris ce matin, qu'est-ce qui a été dit, et aussi savoir un peu aussi leur comportement. Ce n'est pas seulement aussi les études, hein, c'est un tout. C'est aussi leur comportement, c'est aussi leur euh, éducation. Donc nous avons l'obligation, nous en tant que parents, de suivre cela afin d'accompagner et d'instaurer aussi cette confiance entre nous et nos enfants. Mhm. Parce que ce dialogue qu'on instaure, rien que par le, suivi de, leur éducation, on instaure quand même un certain dialogue, une certaine confiance entre nous et ses enfants et ça casse beaucoup de barrières. L'enfant est alors disposé à parler ouvertement avec ses parents et les parents aussi, euh, de leur côté, lui transmettent vraiment ce qu'ils doivent lui transmettre en termes d'éducation, en termes de conseils et en termes d'orientation pour mhm. ses études. Kimba Juma, vous êtes donc membre de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. Vous avez donc suivi la réaction donc euh, de ces parents que nous avons rencontrés à travers la capitale. Quelle appréciation faites-vous euh, donc euh, de la réaction de ces parents Bien, bonjour Fatouma et merci d'avoir nous invité ici sur ce plateau pour en discuter de ce sujet très important. Il est très nécessaire qu'un parent suive son enfant pas à pas puisqu'il ne sert à rien d'inscrire un enfant à l'école et ne pas aller vers le monsieur ou la, la dame à qui vous avez confié l'enfant là pour savoir ce qui se passe. Et entre-temps encore, arrivé même à la maison, l'enfant doit être suivi par ses parents. Il n'a qu'à chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'école, qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est en ce temps-là que l'enfant même euh, euh, il saura que euh, vous avez considéré ce qu'il est en train de faire. Voilà. Madame Fatouma Tachimba, membre du Ben Sinasep, vous avez suivi la réaction de ses parents. Quelle appréciation faites-vous Bonjour aux auditeurs du studio Kalangu et merci aussi au studio Kalangu pour euh, cette euh, invitation. Ce que je dirais, la question de l'éducation, c'est une question vraiment un peu euh, complexe. Elle est complexe et elle nécessite aussi l'implication de tous les acteurs. Maintenant, le premier acteur de l'éducation, dans le suivi de l'éducation des enfants, ça doit être les parents. Les parents doivent s'impliquer activement et pleinement dans le suivi de l'éducation euh, des, enfants. Les enfants ne doivent pas euh, être laissés à, eux-mêmes. Voilà. Comme on a dit, ce sont des enfants. Donc, ce sont des petits, ils ne sont pas aussi matures, ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'il y ait un œil euh, regardant des responsables. Et les parents doivent savoir qu'ils sont les premiers responsables. Quand on inscrit un enfant à, l'école, on ne doit pas le laisser à sa guise. On ne doit pas le laisser faire ce qu'il veut. On ne doit pas laisser seulement les, enseignants, on ne doit pas laisser l'État suivre. Nous sommes les parents nous devrions nous impliquer dans leur éducation. Par exemple, là, où euh, je suis, ma voisine, elle, n'a jamais été à l'école. Le mari aussi. La nuit, l'enfant prend son cahier pour euh, montrer à la maman, maman, voilà ce qu'on a fait euh, à l'école. Maintenant, dans cette situation, que doivent faire les parents Puisque les parents n'ont jamais été à l'école. Et l'enfant veut qu'on l'accompagne. Il y a des exercices que la maîtresse donne donc à, ses enfants. Donc une fois à la maison, l'enfant doit traiter l'exercice et que les parents <laughs> ne savent ni lire ni écrire. Dans ces situations, euh, Moussa, que doivent faire donc euh, Alors, c'est vraiment, c'est vrai que c'est une situation un peu euh, compliquée parce que les, les, parents n'ont pas, n'ont pas étudié et l'enfant a besoin de cet accompagnement. Alors, une alternative peut-être, c'est de voir les répétiteurs. Euh, s'ils si ils ont quand même les moyens de prendre un répétiteur, quelqu'un qui peut venir pour aider, accompagner leur, enfant, ce serait aussi une, bonne idée. Et dans le cas échéant, c'est voir avec les parents. Il y a certainement un proche parent, un oncle, un neveu, quelque part qui a quand même euh, étudié mhm. ou qui connaît, qui a un niveau assez élevé que celui de, l'enfant. Mhm. Alors on peut faire toujours recours à, à cet entourage-là mhm pour avoir quelqu'un qui peut suivre le, ne que le fils de la soeur, de la mère. En tout cas, on peut vraiment se débrouiller au lieu de rester les bras croisés et dire Ah, nous, on ne connaît pas, on ne peut pas faire. Je pense que ce n'est pas la solution. Il faut qu'on se débrouille pour trouver quand même les moyens d'avoir quelqu'un qui va accompagner cet enfant-là si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Vous êtes un parent d'élève. Est-ce que vous suivez donc votre enfant euh, à, l'école oui, oui, bien sûr. Je, je suis beaucoup les enfants. Je regarde tout ce qu'ils font à l'école. Et ça, comme je l'ai dit dès le début, ça a créé quand même un climat de confiance entre nous. Et chaque fois qu'ils reviennent, c'est eux-mêmes qui, qui m'abordent avec des questions, mhm. avec leur cahier, avec mhm. leur composition et avec euh, tout ce qu'ils ont fait à l'école. Ils, euh, le disent ouvertement parce mhm. qu'ils savent que déjà on a un intérêt sur ça et qu'on leur pose des questions sur ça. Alors c'est devenu euh, presque une routine d'en parler. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui a contribué quand même à, leur éveil, qui a contribué aussi à, à ce qu'ils travaillent mieux à l'école parce qu'ils se sentent encouragés, ils se sentent suivis, ils sentent vraiment qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui a besoin de résultats. Mhm. Madame euh, Kimba Ajuma, est-ce que euh, vous suivez donc euh, vos enfants une fois à la maison Oui, Fatouma, ça c'est nécessaire. Mhm. Du fait que j'ai opté pour envoyer mon enfant à l'école, je dois avoir un égard sur cet enfant. Et je vais vous donner même un exemple. Oui de mon enfant. Quand je me suis présentée dans son école, j'ai salué d'abord la maîtresse. Je me suis présentée à elle et j'ai dit c'est moi la mère d'un tel. Mhm. J'ai dit si possible, madame, je voudrais rentrer dans la classe voir les amis de mon enfant. Mhm. Quand je suis rentrée, je me suis présentée devant les enfants. J'ai dit voilà, aujourd'hui c'est la mère de Oumou qui est devant vous. Les enfants étaient très contents. Après moi, il y avait même des enfants qui ont demandé à leurs parents aussi de venir. La mère de Oum était venue à l'école. voyez, c'était à l'école Croix-Rouge. Mhm. Et entre-temps, à chaque fois que mon enfant vient de l'école, il faut que je demande qu'est-ce que vous avez fait. Ça motive l'enfant. Et l'enfant, il saura que vous lui avez accordé une grande importance. voyez. Mais j'ai un appel à faire aussi mhm. aux enseignants. Mhm. Vous savez, comme c'est, euh, on dit euh, euh, au dispensaire, un malade, quand il part, mhm. l'accueil a guéri à 50%. Mhm. Donc, j'aimerais que aussi les enseignants accueillent bien les, parents. C'est ça qui va encourager les parents à aller vers eux. Mhm. Voilà. Madame Fatoumata Isaka, vous êtes membre du Ben Sina Seba. Est-ce que vous recevez donc la visite de temps en temps des parents d'élèves Les parents, c'est vrai, il y a ceux qui visitent de temps à, autre. Mhm. Mais je vous assure que les visites, elles sont minimes, si je peux le dire. Si on prend l'exemple en un an, un enseignant peut totaliser le nombre de visites qu'il a reçues des parents d'élèves. Mhm. Et ça, ça, ça n'encourage pas l'enseignant, et ça ne le motive pas au fait. Mhm. Certes, le parent ne doit pas toujours être présent euh, à l'école, mais cela n'empêche, de temps à autre, il peut jeter un coup d'œil, il, peut faire un saut à l'école, voir euh, ce qu'il y a, ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que mhm. n'oubliez pas maintenant, il y a la mauvaise fréquentation là. Les enfants, lorsqu'il n'y a pas un heure regardant mhm. dans ce qu'ils font, ton enfant peut quitter la maison et ne sera pas euh, à, l'école. Mhm. Tu vois tout ce que l'enseignant peut faire peut-être c'est décocher lors des appels journaliers, là, c'est mhm. décocher, un tel est absent de trucs comme ça. Et finalement, le parent ne saura pas tant qu'il ne mhm. fera pas un déplacement. Vous voyez donc, il est nécessaire pour les parents. Certes, nous savons qu'ils sont euh, un peu occupés, ils sont pris, et il y a les événements sociaux et autres. Mais mhm. cela n'empêche, on peut avoir un temps, et euh, 30 minutes pour son enfant, même si c'est mensuel, c'est-à-dire chaque mois, les parents peuvent se présenter euh, à, l'école, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et tout tout à l'heure, euh, euh, Hajia a évoqué un manquement venant de certains euh, enseignants. Mhm. Je ne dirais pas que ça, ça ne se fait pas. Mais il faut que les enseignants sachent aussi d'ailleurs, il y a ceux qui sont conscients de ça. Si on est enseignant, c'est pas pour rien. Un enseignant est un tout on l'a toujours dit. Mhm. Et même euh, lors des euh, formations dans les ENI, dans mhm. les écoles normales. Donc, moi, je pense que les enseignants sont richement euh, outillés par rapport à leur fonction. Mhm. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a de la visite, même si ce n'est pas un parent d'élève, on ne sait jamais. Tu peux voir la personne, il se peut que ce n'est même pas un parent d'élève, peut-être c'est un de tes supérieurs Maintenant, si la personne est mal accueillie, mhm. je ne sais pas, ça donne une mauvaise <laughs> euh, image de la de, euh, euh, l'enseignant. Uh-huh. Donc, sachant comment recevoir les, les parents. Ils ont le plein droit de faire un tour dans les écoles, voir ce qui va et ce qui ne va pas. D'ailleurs, quand ils sont absents, moi personnellement, ça ne me motive pas ça ne me motive pas. J'ai par exemple 30 euh, élèves. À peine j'arrive à recevoir la visite de 2, 3, euh, euh, voire 5 parents Le mois ou bien le trimestre. Vous voyez ce mhm. que ça fait. C'est comme s'il y a une fuite ou bien un, abandon total des, enfants. Donc, que ça va ou bien que ça ne va pas, lorsque les parents ne se présentent pas, on peut comprendre autrement. Donc, les parents seuls peuvent il faut, il faut vraiment un petit eh, eh, effort, mhm. un sacrifice, un don de soi en visitant les enseignants, l'avoir voir qu'est-ce qu'il y a S'il y a quelque chose, des manquements à arranger, c'est l'occasion quand vous serez à l'école, l'enseignant va vous dire voilà, l'enfant a des difficultés, peut-être il a des difficultés en, telle matière ou bien en telle matière. Il y a des conseils qui sont donnés à l'école. Mhm, pour voilà, pour améliorer voilà, euh, le, rendement euh, scolaire des, des, enfants. Mais lorsque les parents là sont absents, vraiment, même si on a à dire, même si on a des conseils à donner, je ne sais pas comment ça se fera. De temps en temps, les établissements donc, convoque des réunions pour euh, appeler les parents d'élèves et échanger. Est-ce que euh, les parents répondent vraiment donc à ces invitations c'est le même souci, comme je vous l'ai dit. Mm. Le taux de participation n'est pas, mm. euh, n'est pas du tout important. C'est tout au plus que ça va dépasser les 20%. Mm. Et vous voyez, ça, ça, ça n'encourage pas. ça n'encourage pas, au fait. Les réunions, là, que ce soit mensuelles ou bien trimestrielles, mm-hmm. les parents doivent vraiment faire un petit sacrifice. Ça ne euh, euh, euh, réduit en rien mhm. nos, nos, activités. Si tu te déplaces peut-être une heure, tout au plus deux heures, les réunions là ne, ne, dépassent pas deux heures de temps. Hein. Mhm. Je ne vois pas ce que ça va, ça va t'écouter. L'essentiel, c'est de venir écouter. C'est ton enfant, c'est mhm. un premier capital, c'est un capital dans lequel tu dois t'investir pleinement. Ce n'est pas de trop d'assister aux réunions là, de visiter l'école, voir l'enseignant, savoir ce qui va et ce qui ne va, pas. De, voir dans la mesure du possible dans quelle politique je vais eh, accompagner mon enfant. Mais on a euh, remarqué que dernièrement, c'est comme si nous, en tant qu'enseignants, eh, on nous laisse comme ça avec euh, les enfants. Allez-y faire ce que vous voulez. <laughs> Donc, ce qu'on veut de vous, c'est d'être euh, présent dans les classes, c'est d'être régulier, ponctuel là. <laughs> Alors que avec ça, seulement on ne peut pas euh, euh, avancer, on ne peut pas évoluer. Nous sommes au 21e siècle, mm-hmm. il faut que vraiment les, gens sachent euh, comment, dans la mesure du possible, on va accompagner ces enseignants-là. Moussaïni, quels sont vos rapports avec les enseignants Est-ce qu'ils vous facilitent la tâche Bon, c'est vrai, les rapports avec les enseignants, vous savez, c'est comme l'a dit Madame Kimba, hein, c'est selon les humeurs des uns et des autres voilà, on rencontre des, ceux qui ont euh, l'approche facile mhm. et on rencontre quand même ceux qui n'ont pas l'approche facile. Donc mhm. ça, ça, dépend. Mais aussi de notre côté aussi, comme elle a été dit, il y a des gens qui euh, abordent les gens d'une façon mhm. euh, brusque. Donc ça c'est. Mais nous, moi personnellement, nous avons des bons rapports avec les enseignants parce que en fait, on, fait la même chose avec eux. Nous sommes tous là. Eux, ils éduquent nos enfants à leur dans leur euh, classe et nous, nous les éduquons à la, maison. <laughs> Donc on se complète. c'est une complémentarité et cette complémentarité-là, elle doit euh, faire naître une certaine complicité entre nous et les enseignants qui ont la charge mm-hmm. de nos enfants. Mm-hmm. Donc nos rapports vraiment sont, sont, très bons, on se respecte, on vient dans leurs écoles. Dernièrement, même pour euh, la petite histoire, c'est le directeur même de l'école qui a proposé à ceux que nous faisions nous fassions le dossier pour que notre enfant puisse faire un concours, un dernier pour nous, ça mm. aussi, ça veut dire que c'est parce qu'il y a de ces bons rapports et que euh, nous suivons régulièrement les, ce que font ces enfants à l'école, mm-hmm. qu'il a sollicité à l'enfant de me dire de venir à l'école, il veut me voir. Mm-hmm. Et nous avons discuté de ce, de ce concours-là. Mm-hmm. Madame Kimba membre de l'association donc des parents d'élèves et étudiants, quels sont de votre côté euh, les rapports avec euh, les enseignants Bien, Fatih. Avant d'entamer ce sujet d'abord, j'aimerais un peu ajouter sur la question que vous avez posée à Fatih, mhm, sur les réunions. Vraiment, les parents ne répondent pas aux réunions. Et même ceux qui répondent, c'est les femmes. Mhm. Vous voyez Donc, les hommes-là ne répondent pas. Mhm. Il suffit seulement d'envoyer l'enfant à l'école. Et ce qui n'est pas normal. Quand tu ne te rends pas euh, aux réunions, est-ce que tu sais de quoi on a discuté, tu sais ce qu'on a proposé, mm-hmm. tu ne sais pas. Mais il faut aller pour savoir ce qui se, passe. Mm-hmm. Sauf si on va demander maintenant à votre enfant, voilà ce qu'on a arrêté de te dire, c'est en ce temps-là encore tu vas venir menacer les gens, faire du bruit, ce qui est mauvais. Mm-hmm. Il faut toujours aller vers l'administration, là, savoir ce qui se passe. Je lance un appel aux parents, hommes, vraiment, qu'il y ait un temps pour leurs enfants, pour assister à des âgés dans les écoles, savoir ce qu'on a arrêté. ouais c'est ça qui a amené le problème de COGES, COGES là. Hein? Quand on demande de l'argent, je m'adresse aux parents fonctionnaires. La majorité, c'est les parents fonctionnaires qui ne répondent pas aux mm-hmm. âgés. Ils ne répondent pas aux âgés. ouais mm-hmm. Ce qui n'est pas bon. Eux qui ont, eh, comment dirais-je, étudié, ils savent l'utilité de l'école. Voilà. Mais maintenant, c'est eux qui ne répondent même pas aux âgés. Maintenant, quels sont vos rapports avec les enseignants Bon, nos rapports avec les enseignants, il faut qu'il y ait un accueil chaleureux envers les parents. Et entre-temps, c'est pas pour rien. Notre structure nationale a mis dans toutes les écoles ce genre de structure. C'est pour qu'il y ait une approche entre les parents et l'administration. De sur quoi même, il y a eu encore COGES. Il n'y a pas une école où il n'y a pas un bureau de l'association des parents d'élèves. Vous voyez Et tout ça là, c'est pour suivre nos enfants, pas à pas. Et je lance encore un appel à ces parents-là qui se, qui se trouvent dans les associations de la, des parents d'élèves. C'est pas que ça me plaît seulement d'être dans l'association nous aussi, on fait un effort. Il faut faire un effort pour aller vers hein? les enseignants là. Oui. Maintenant, vous êtes euh, donc membre d'une association des parents d'élèves. Dites-nous euh, quel est donc le rôle d'une association des parents d'élèves. Le rôle de l'association même, mhm. primordial, nous, nous sommes là en train de sensibiliser euh, les structures mhm. et locales. On est là en train de les sensibiliser chaque fois. Quand il y a, a un appel qu'on vous lance, il faut répondre. Et il faut encore suivre pas à pas l'étude de vos enfants. Même si tu n'as pas été à l'école, cherche quelqu'un qui va t'aider. Même nous qui avons été à l'école Fatih, mhm. avec ces programmes-là, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc cherche celui qui connaît, il va t'aider. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites Quelles sont les actions que donc euh, vous menez pour sensibiliser les parents qui ne suivent pas leurs enfants à l'école pour qu'ils prennent conscience de la situation Bon, c'est suite aux AG organisés dans les écoles. À travers les AG, là, on arrive à faire des sensibilisations aux parents. Et de sur quoi C'est pas pour rien on a mis le bureau des mères éducatrices parce qu'on a vu les parents hommes là. Hein? C'est pas ça. Ah oui, c'est la mère qui s'attache beaucoup à l'école que le père. Donc, on a mis des structures des mères éducatrices dans les écoles mhm. et chaque école doit travailler avec la structure là, mhm. des mères éducatrices mhm. qui accompagnent les enfants il y a des mères euh, euh, qui, euh, qui, viennent même à l'école demander au, directeur hein, s'il rencontre un enfant mhm. qui est en train de traîner derrière l'école là. Elles font ça. Elles viennent, elles demandent au directeur, cet enfant-là, il est dans cette école, il l'accompagne. Et encore, s'il y a, comment dirais un problème dans l'école, mhm. pour les élèves, là, le niveau là, elles s'impliquent là-dedans, elles cotisent de l'argent même pour rendre un répétiteur. Mm. Les mères là, vous voyez. Moussa Iné, vous êtes parent d'élèves, vous avez suivi Mme euh, Madame Kimba Juma qui dit euh, tout à l'heure que... Euh, qui nous accuse. Voilà, <laughs> <laughs> qui, qui, accuse les hommes de n'avoir <laughs> pas participé donc, aux réunions convoquées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les, accusations sont fondées hein, parce que ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Elles sont sur le terrain, elles voient, c'est leur travail, elles le font tout le temps. Et en fait, les hommes, souvent, il, euh, démissionnent hein, de cette euh, affaire de réunion d'agir, machin, parce que euh, leur prétexte c'est quoi Ils n'ont mhm. pas le temps, on va à la recherche de Oh. <laughs> voilà, de quoi se mettre sous la dent. Et c'est trop pour nous, en fait. Il faut nous comprendre aussi. <laughs> on est au four au moulin, machin, ceci. Mais ça ne nous excuse pas. C'est pas une excuse hein, pour ne pas aussi suivre au moins une assemblée générale une fois par mois mm-hmm. ou une fois tous les deux mois. Vraiment, ce, petit temps, comme vient de le dire madame mm-hmm. l'enseignante, d'une heure, deux heures, n'enlève à rien à nos occupations. Et souvent, c'est fait même le, week-end, les jours où on ne mm-hmm. travaille pas. Et le fond, ils des jours où les gens ont quand même cette disponibilité de participer. Mais souvent, les, parents, certains, passent, ils ne vont à aucune activité. Tu es là à la maison et tu ne participes pas à cette réunion. Alors là, c'est dommage. Vraiment, je pense que euh, je me joins à, madame pour lancer un, appel à, nous-mêmes aux hommes de participer à ces réunions-là parce que c'est important. Parce que les décisions qui sont prises quand tu n'es pas là, elles sont applicables à toi. Mhm on va pas t'attendre. Si une décision est prise dans, l'école et que toi, tu n'es pas présent, tu ne peux pas dire que tu n'es pas concerné parce que on t'a informé, tu n'es pas venu. On a donné une convocation à ton enfant qui te l'a amené à la maison et tu n'as pas répondu à cette voix. Maintenant, il a été instauré une décision de payer tel, tel, tel. ce n'est pas ce moment-là qu'il doit dire que tu n'es pas d'accord. Il fallait venir expliquer aussi peut-être tes arguments. Peut-être là, c'est comme ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut que nous changeons d'attitude pour participer à ces réunions-là, pour que nous accompagnions aussi cet effort qui est en train d'être fait. Mhm. Parce que ce n'est pas, euh, je pense, à la fin qu'il faut pleurnicher, il faut être au début du mouvement mhm. et accompagner. Fatoumata Isaka, Ben Sina Seba, vous êtes enseignante. Est-ce que c'est toujours les moments donc, des élèves qui viennent vers vous oh, C'est le constat qu'on a fait quand même les hommes ont toujours euh, une excuse de ne pas être là, au besoin de mhm. s'absenter, ou bien même quand on a besoin de les rencontrer là, ils ne sont pas du tout euh, mhm. disponibles. Et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention vraiment des papas. Les premiers responsables de la famille, ce sont les, mhm. euh, les pères là. Donc au lieu de se désengager dans le cursus scolaire de son enfant, il ne suffit pas seulement mhm. d'inscrire ou bien de payer la scolarité, de, l'accompagner en fourniture et autres là. Il faut qu'on soit aussi excusez-moi de l'expression, il faut qu'on soit aussi gendarme dans mhm. la vie de, euh, de l'enfant. Mhm. Parce que lorsque l'enfant sait que son papa là, quoi qu'il arrive, le papa n'a pas un temps pour moi, c'est maman qui va me gronder. Il peut euh, se permettre de faire euh, tout ce qu'il veut. Donc, ils doivent être non seulement gendarmes, mais aussi des amis, si je peux le dire pédagogiquement, on dit il faut qu'il y ait eh, une eh, complicité. Il faut qu'il y ait une complicité entre les parents et les enfants. Il faut qu'il y ait un climat de confiance. Maintenant, s'il y a lieu de corriger aussi ou bien de faire les yeux rouges comme on a l'habitude de dire, il faut que l'enfant sache que quand je vais déraper, papa est là. Mhm. Si papa n'est pas là, il a donné l'autorisation à maman de m'épiner. Mhm. Il faut que l'enfant sache qu'il y a toujours quelqu'un derrière moi pour bien, faire. Et c'est là où nous avons failli en tant que parents. C'est là où beaucoup de parents ont, euh, failli. Moi, je me rappelle quand on était euh, euh, jeunes, mm. nos papas nous suivaient pas à pas. Déjà, les cahiers de devoirs, là, ils sont mm-hmm. contrôlés. Et entre nous-mêmes, élèves, on était en compétition mm-hmm. au fait tu ne vas pas laisser ton voisin ou bien un camarade de classe te dépasser en termes de nombre de. Les 10 là, on les comptait. On s'amusait à compter. J'ai tel nombre de 10 dans mon mhm. cahier. Maintenant, avoir zéro dans ton cahier là était une honte pour nous. Non seulement c'était une honte avec les euh, euh, euh, camarades, mais aussi à la maison, tu ne vas pas laisser ton papa ou bien ta maman voir un zéro dans ton cahier jusqu'à compter les zéros. C'était un sérieux problème. Vous voyez mhm. Donc il faut que les parents sachent ce qu'on doit faire, c'est pas parce qu'on aime son enfant. On a coutume de dire qu'il aime bien, châtie, bien. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas son enfant, des fois qu'on le châtie. C'est par amour que ces choses se font. Et ça, du primaire jusqu'en terminale d'ailleurs. Il y a des parents qui contrôlaient les copies. <laughs> tu sors, le papa prend ton sac, il fouille les cahiers, il fouille dans tes affaires, voir tes copies. Mais aujourd'hui, combien de parents le font on n'a même pas le temps. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, euh, bon nombre de parents confient leurs enfants à des enseignants qui leur font des cours à deux maisons au lieu donc de le faire eux-mêmes. Est-ce que euh, c'est une bonne chose Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, nous, nous, euh, nous encourageons ces, systèmes. le fait de, de recruter ou bien d'engager un répétiteur pour son enfant. c'est une bonne chose. Mhm. Mais il faut que les parents aussi sachent avec les différentes réformes-là, il y a beaucoup de répétiteurs aussi, car eux-mêmes, non seulement les parents ne maîtrisent pas, les différentes euh, réformes, mhm. les répétiteurs aussi. Donc il faut euh, avoir un œil regardant du côté de l'enfant et du côté aussi du, euh, du, répétiteur. Il ne faut pas que le répétiteur soit avec ton enfant et toi tu es au salon en train de regarder un mhm. match ou bien mhm. un film comme ça ou bien tu es au lit. Il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut, il faut une implication et vraiment il faut s'impliquer mhm. pleinement et activement. Si on ne peut pas faire le boulot là, la personne qu'on a engagée pour le faire, il faut avoir un œil Il faut voir même nos chantiers là. Quand on a un chantier, de temps à autre, des fois à la descente, on fait un tour sur les chantiers, voir ce qui se passe. Donc, ça ne sert à rien, et ça ne sert rien de suivre les trucs là parce que selon moi, ce sont des trucs eh, éphémères. Alors que ton enfant là, mhm. c'est ton capital, c'est un capital. Tu dois le suivre, tu dois contrôler. C'est pas pour rien on les a inscrits à l'école. sont inscrits à l'école pour qu'ils deviennent quelque chose. Mais s'il n'y a pas de suivi, je suis désolée de les dire, beaucoup seront une, menace pour la société. Mhm. Mhm. Parce qu'il y a non seulement les télévisions et autres là, il y a, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a la mauvaise mhm. fréquentation, il y a, y a plein euh, de trucs qui peuvent, moindre, euh, à la moindre chose, euh, dévier ton enfant de la trajectoire sur laquelle tu l'as posé. Donc on doit s'impliquer, c'est vraiment une charge. Si on peut le dire, c'est une charge, donc il faut savoir comment la gérer. On ne doit pas laisser Seulement, l'enfant avec son répétiteur, le répétiteur, il est là, il est présent. Je suis d'accord, il faut qu'il soit là parce qu'on a besoin de ça, mhm. mais il faut aussi avoir un œil regardant sur ce qu'ils sont en train de faire, mhm. surtout avec nos enfants et filles. Parce que la plupart des, des, répétiteurs, ce sont, ce sont des hommes. Hein. Donc, il ne faut pas euh, l'enfant là, qu'on le conduit sur, euh, sur un autre euh, euh, truc kofa Vous voyez euh, Madame Fatoumata, est-ce que euh, vous êtes pour le contrôle parental Bien sûr, bien sûr que, nous sommes, nous sommes mm. pour et ça nous encourage d'ailleurs. nous sommes pour ça. Mm-hmm. C'est une très bonne chose. Si mm-hmm les parents pouvaient faire ça. S'ils pouvaient faire ça, ça allait vraiment nous encourager, non seulement dans le travail, mais aussi ça va empêcher à l'enfant de faire certains comportements ou bien de faire certains... L'absentéisme, là mhm. les retards, ça va empêcher à l'enfant de se comporter mhm. autrement, quoi. Hmm. Si aussi les parents pouvaient le faire. Mais je l'ai dit tout à l'heure que le nombre est tellement minime. Et si même on demande à un enseignant de totaliser en un il peut le. Facilement, tu peux, tu peux te retrouver le, nombre de parents que. Oui, Fatima, une autre question, uh-huh. donc avant de donner la parole aux autres. Et euh, dans quelles conditions l'enfant comprend donc euh, le mieux s'il est assisté par l'un de ses parents ou bien dans les mains du maître qui lui dispense des cours de maison. Ah, la question là, elle est un <laughs> peu... <laughs> <laughs> elle est un peu compliquée, d'autant plus que euh, l'enfant passe, et euh, s'il s'agit de son suivi, il passe plus de temps euh, avec l'enseignant. Mhm. qu'avec le, le, maître. Le, maître. Mhm. Donc, dans, face à cette situation, je dirais les deux. Non seulement il doit écouter l'enseignant, mais aussi, s'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a mhm. la complicité là, s'il y a un climat de confiance là, même s'il y a des trucs qu'il n'a pas compris à l'école, euh, ou bien euh, il, a besoin de renforcement, mhm. s'il y a la, euh, le climat de confiance là, même si les parents ne le demandent pas, il y a beaucoup d'enfants. Moi, je connais beaucoup de mes, de, de mes nièces, de mes neveux mhm. qui viennent vers moi. Tanti, maman, et voilà ce qu'on a fait ce matin à, l'école. Mhm. Mais moi, je n'ai pas compris papa n'est pas là ou maman n'est pas là, est-ce que vous pouvez m'aider mhm. Tout ça, il faut que l'enfant sache que quand il viendra vers toi la rue, il y aura une ouverture, tu vas l'accueillir. Mhm. Donc c'est ce que j'ai à attiré. Mhm. Non seulement il doit écouter l'enseignant, parce que s'il n'écoute pas l'enseignant là, s'il écoute ce que le papa dit, c'est pas au papa de le Mm C'est à l'enseignant de voilà, c'est à l'enseignant de le valier et en classe, il sera évalué à la classe et non à la maison. Donc euh, il doit non seulement euh, écouter euh, son, maître, mais aussi euh, approcher son, son, papa ou bien quelqu'un qui peut l'aider, bien sûr. Donc, euh, Madame Kimba Adjuma. J'aimerais attirer votre attention sur le répétiteur dont vous parlez beaucoup. J'ai vu que vous vous êtes trop penché, <laughs> vous et la maîtresse, sur les répétiteurs. <laughs> Nous, quand nous avons enseigné, on n'avait même pas de, de répétiteur. Pourtant, nous, euh, nous avons bénéficié de quelque mhm, chose. Mhm, mhm. Parce que vous connaissez notre société. C'est pas tout le monde qui est bien posé pour avoir un répétiteur. Il faut qu'on ait des enseignants de qualité d'abord. Des enseignants qui doivent bien apprendre d'abord à nos enfants. Même si, tu as un répétiteur, si à l'école, là, tout à l'heure, madame vient de dire que l'enfant passe plus de temps à l'école avec la maîtresse. S'il n'arrive euh, pas à comprendre quelque chose là-bas, même s'il y a le répétiteur, répétiteur, hein? c'est la même chose. Vous voyez mhm. Donc, vaut mieux, moi, je veux à ce qu'on se penche surtout mhm. si vous avez des voisins. Maintenant, il y a plein des élèves qui sont à la maison, eh qui ont fait master, licence, tout, qui n'ont rien à faire. Mhm. Ayez confiance à ces enfants-là, les approcher, et comme ça, ils vont aider nos enfants. Mais répétiteurs, là, est-ce que vous savez c'est combien un répétiteur c'est pas tout le monde qui en a. si on peut le compter à bout de doigt. Mhm. Voyez, moi, je, il faut qu'il y ait des, enseignants de qualité, qu'on enseigne bien à nos enfants. Les parents ne sont pas les mêmes d'abord. Mhm. Mhm. Et chaque parent a sa capacité. Voilà, les, enfants qui sont suivis là, par les, presque par les parents là, c'est les parents intellectuels. Pour les enfants des parents qui n'ont jamais été à l'école, vraiment, ils ont presque toujours des problèmes. Pourquoi Parce que même maintenant, nous avons remarqué en tant que parents qu'il y a des, des enseignants même qui font des polycopes. Ils donnent pourquoi pour photocopie, pour mhm. faire des, leçons. Mhm. Pour un enfant d'un parent pauvre, il n'y peut rien faire. Mais pour un parent intellectuel, son enfant va lui amener ça, il va tirer ça dans son mhm. bureau, il va même, même lui expliquer. Voyez, lui, il est aidé par rapport à l'autre. C'est normal que l'autre dépasse l'autre. <laughs> Bien sûr. Moussa Inni, vous êtes euh, parent d'élèves. Euh, selon vous, euh, les parents doivent avoir le temps nécessaire pour aider leurs enfants et faire leurs devoirs de maison. Donc, avez-vous une idée de la façon dont ces derniers doivent s'organiser pour ça Oui, bon, peut-être l'idée, c'est c'est comment moi je m'organise. <laughs> je ne vais pas peut-être parler au nom des autres. Mhm. En fait, c'est surtout les soirs, mhm. euh, voilà, quand on est, on est ensemble. Mhm. En fait, vraiment, madame a, parlé de disparité. C'est vrai qu'il y a des disparités, qu'il y a des... Les gens ne sont pas les mêmes. Les moyens ne sont pas les mêmes, les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de... tous ces facteurs-là entrent vraiment dans cette, euh, dans cette éducation-là, il faut aussi dire la vérité. Et voilà, nous accordons donc ce temps à nos, à nos enfants le soir. Ils sont là, on nous demande des leçons, comme on l'avait fait nous aussi dans le temps, c'est le soir. Nous, on avait même fait sous les lampadaires des, des, machins, hein, avec des lampes à pétrole, tout ça. Aujourd'hui, ils ont, euh, ils ont la chance d'avoir l'électricité, d'être dans des maisons, avec des moyens aussi comme le téléphone qui leur permet de faire des recherches, des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Mhm. Donc, nous prenons ce temps pour discuter avec eux de l'école, pour voir un peu ce qu'ils ont compris. Mais il y a aussi cette difficulté parce qu'il y a le revers de la médaille, comme vient de le dire madame. Mhm. Il y a les les programmes qui ont changé. Les programmes que, dont nous, on nous avait enseigné là-dessus, ils n'existent plus. Aujourd'hui, c'est d'autres programmes que nous-mêmes, on ne maîtrise rien là-dedans. Et on fait recours souvent à, ceux qui euh, ont une certaine connaissance par rapport à ça, surtout leur, euh, les maîtres ou bien les élèves qui ont un niveau plus avancé qu'eux pour qu'ils puissent vraiment comprendre et aussi leur inculquer cette mm, euh, notion de, poser des questions. Parce que si un enfant ne comprend pas et qu'il se refuse de poser des questions, soit par peur ou par ignorance ou par crainte, de il ne va jamais comprendre. Si on vous euh, montre quelque chose euh, à l'école que vous n'avez pas compris, vous approcher la maîtresse ou le maître pour dire Madame, vraiment, je n'ai pas compris. Ça, ce n'est pas une honte. Mhm. C'est vraiment, euh, ça permet de comprendre parce que la honte, c'est quand tu n'as pas compris. Mhm. Faire autre chose. Donc, on les sensibilise sur cette notion de poser des questions. Et ça, vraiment, je pense que ça aide beaucoup. Mais aussi le dialogue qu'on instaure entre nous et eux, ça permet aussi de, de faire évoluer les choses. Mhm. Mais il faut que, il faut que les parents trouvent vraiment ce temps-là pour, pour, les enfants. Il faut trouver le temps là. Vraiment, euh, il, faut, il y a ce temps-là. Même si on l'utilise à autre chose, mais on peut utiliser, trouver ce temps-là. Madame Fatoumata Isaka, êtes-vous euh, du même avis hum, Ok, Fatih, avant de répondre à cette question, je vais un peu revenir sur la question du, du répétiteur là, pour qu'ensemble mhm. nous comprenions mhm. qu'est-ce que nous appelons et pédagogiquement ah. Mhm. Qu'est-ce qu'on appelle répétiteur Il n'est pas dit forcément qu'il faut un enseignant ou bien quelqu'un qui a un diplôme d'enseigner. Mhm. Euh, le répétiteur, c'est toute intervention extérieure au-delà de celle de l'enseignant titulaire de la classe. Mhm. Ça peut être un parent, un tonton, et un voisin, une connaissance comme ça. Pas forcément un enseignant qu'on va engager, qu'on va peut-être payer à 20 000, 30 000 le mois. C'est ça le répétiteur là. Quelqu'un qui, euh, au sortir de la classe, va euh, accompagner, va aider l'enfant avec ses exercices. Toute personne capable d'apporter une euh, intervention, un plus, mhm. dans, voilà, la bonne marche, mhm. c'est ça, et, le répétiteur là. Mhm. Comme Haji a dit tout à l'heure, oh, les gens n'ont pas les moyens. Et, je vais encore revenir sur la, le temps. Le temps n'est pas le même. Autrefois, même pas les, nos aînés, nous-mêmes, les conditions dans lesquelles on a étudié, ces conditions-là sont absentes aujourd'hui. Mhm. Le truc est de effectif pléthorique, ça n'existait pas mhm. autrefois. Il y a plein de choses qui ont euh, disparu maintenant. Mhm. Nous sommes unanimes qu'il faut un accompagnement. Franchement, il faut que les parents s'impliquent. Quand tu t'impliques là, c'est comme ton chat là. Si tu entretiens mieux ton champ, ton rendement sera meilleur que celui qui s'en fiche du champ. Il faut seulement la période de truc pour labourer, le truc, mm. il engage des barèmes pour aller. Il y a une nette différence et la différence, elle est là, elle est visible. Mm-hmm. Les, parents, je pense, ils ont déjà compris. Mm-hmm. Il faut euh, s'impliquer pour avoir un bon rendement. Quand tu es absent là, résultat ne sera pas à comparer quand même avec celui qui s'est. Euh, mm. Madame euh, Chimba Juma, dites-nous euh, quels sont vos conseils pour une meilleure attention des parents sur les études de leurs enfants au niveau du primaire surtout. Bien, moi, ce que j'ai à dire, j'invite tous les parents des enfants inscrits à l'école d'avoir un regard regardant sur ces enfants-là mm. et qu'ils aillent aussi dans les écoles, voir leurs maîtres, se renseigner du travail de leurs enfants. Et encore, une fois ces enfants arrivés à la maison, le parent n'a qu'à veiller sur son enfant-là. C'est mhm. Ce qu'il a appris à l'école, même si on n'a pas été à l'école, on peut demander à l'enfant. Je vous donne un exemple d'un parent qui n'a pas été à l'école. Mais il mystifie son enfant. Il dit, chaque fois qu'il vient, il, lui demande, donne-moi ton cahier pour voir ce que vous avez fait. Il regarde, il tourne seulement, il a dit les pages. Il tourne les pages et lui remet son cahier. L'enfant, là, était content. Mhm. Mais maintenant, vous voyez, il croyait que ce parent-là le suit pas à pas. Donc, il faut qu'on ait un suivi sur les enfants. Sans ça, le maître ne peut pas tout donner à votre enfant. Bien sûr. Oui, il faut l'accompagnement du parent, c'est ça. Moussa Inni euh, En fait, c'est clair, hein. il y a une nette différence entre ceux qui suivent leurs enfants et ceux qui ne le font pas. C'est que euh, peut-être nous allons proposer à ceux qui ne le font pas, c'est d'essayer. D'essayer pendant un mois, deux mois, ils vont voir le changement. Mhm. S'ils ne voient pas le changement, qu'ils abandonnent. Mais je suis sûr qu'ils verront un changement. Euh, mhm. Quels sont vos conseils Les conseils, c'est toujours euh, vis-à-vis -vis des parents. Quand on décide d'inscrire son enfant à l'école, on ne doit pas les laisser à la merci de, les autres couches sociales. On doit s'impliquer. L'implication, elle est impérative. Mm-hmm. Elle est impérative, chers parents. Mm-hmm. Nous ne devrions pas laisser les enfants comme ça. Si l'enfant veut, il va réviser son cahier et ses leçons. S'il ne veut pas, mm-hmm. ce n'est pas une bonne chose. On doit, c'est, certes, c'est un peu difficile, mais il faut s'y mettre. Les enfants ont besoin de suivi et c'est ce qui manque les enseignants, vraiment, c'est la euh, grande difficulté d'ailleurs en temps normal que nous rencontrions. Les parents ne suivent pas. Vous avez le plein droit, chers parents, vous êtes, si vous êtes à l'école, à l'écoute, vous avez le plein droit de visiter les, enseignants là. Venez à l'école voir ce qui se passe. Contrôlez les cahiers de devoirs, contrôlez les cahiers de leçons. Il y a des enfants qui, de fois, même si le répétiteur il veut l'aider, mm. il n'arrive pas si tu n'as pas un niveau vraiment adéquat. Mm. Tu as du mal même à lire la leçon de mm. l'enfant. Mm-hmm. Tout ça là, si le parent contrôlait, on allait avoir un changement. Causer avec les enfants aussi. Mm-hmm. Causer avec les enfants. C'est le premier acteur. Causer avec lui, créer des, des climats de confiance entre entre vos enfants. Devenez si possible amis. C'est ce que j'ai à dire aux parents. Moussa, vous, avez, vous allez ajouter quelque chose je pense que madame a, tout dit. Hein. devenez des amis, <laughs> cette complicité, elle est très importante mhm. et que euh, nous-mêmes, on doit s'impliquer. Ici euh, prend fin ce forum euh, qui a pour thème Éducation des enfants, comment s'y prendre Nous étions en compagnie de Moussa Iné, parent d'élèves Madame Kimba Juma, membre de l'Association des parents d'élèves et étudiants, et Madame Fatoumata Isaka, membre du Ben Sinaseb. Merci euh, d'avoir euh, répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la réalisation Mustafa Ayouba et la technique Issa Lawali. Merci, euh, le programme continue sur le studio Kalongo.